Moudon, visite de courtoisie au président de l'élection élection yi ñu amal Fichi Makanu makkaanu njiitu Nemekousi, président Makisal. Ginao, Safontei ñaari njiit yi waxtaane lu yàgg lu ñeel dossier yu mag yi ci wàllu état yi di xaar président Bassirou Diomaye Faye leneen lu ñu cérémonie de prestation de serment ak passation de pouvoir di jokkalante nguur gi te ñu fas yéene ko amal ñaari fan ci avril ba ñu ci pare